regrette rek moy ces transferts vraiment d'électeurs parce que on a intercepté vraiment car nous avons il est temps vraiment ñu nous nous choisir ces dirigeants. bo jité deuk da ngay respecter les règles du y yaa ñëk violer règles nit ñi teud ci gi ñuy clair

nous devons voter pour, pour les gens de Mbour, nous devons voter pour, la commune de Mbour. Et qu'on nous laisse vraiment choisir. On est presque 32 000, habitants. On est suffisant ici, vraiment, pour, pour, pour, ah pour ah